le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique des questions sanitaires au Niger. Avec nous ce soir, euh, M. Euh, Bobo Waboubakara, secrétaire général du syndicat unique euh, de la santé et de l'action sociale Suzas Boba Waboubakar, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Samaïla Mahamadou. Il est le secrétaire général du, regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger. Samaïla Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Nous entendons d'un moment à l'autre euh, Dr Kongize euh, secrétaire général du syndicat national des médecins et spécialistes du Niger, et de Mamansani, euh, secrétaire général du syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes du Niger, à l'USFAMED. Avant de débuter ce forum, euh, je rappelle que nous aurions souhaité avoir un représentant du ministère de la Santé publique, mais nos efforts n'ont pas abouti. Au menu du forum de ce mardi, la problématique de la situation sanitaire au Niger avec en toile de fond ce bras de fer entre le syndicat des médecins spécialistes du Niger et le gouvernement de Brigitte Raffini. Docteur Kongize ou pas plus tard qu'hier, vous avez animé un point de presse. De quoi s'agit-il concrètement, docteur <coughs> Merci Kalangou, merci chers euh, participants. Eh bien, le point de presse d'hier, c'était un peu juste de rétablir la vérité par rapport à ce qui a été dit. Le samedi 19, vous avez suivi l'interpellation du ministre de la Santé publique par rapport à la grève des médecins spécialistes. Donc euh, il y avait eu pas mal de choses euh, tordues, et sinon rien que des choses tordues, et il fallait que le SMES intervienne pour redresser ces choses tordues. Des choses tordues, ça veut dire quoi des, des allégations, des allégations. Vous avez suivi, on a dit que le SMES a pratiquement rejeté tout ce que le gouvernement proposait. Donc en fait, le SMES n'était même pas dans une logique de négociation, c'est beaucoup plus une logique de contestation pure et dure. Et par rapport à ça, on a apporté des réponses. Parce que vous savez, en 2013, quand on partait pour la revendication, cette revendication, c'est quoi C'est juste la prise en compte des 4 à 5 années d'études postdoctorales. Docteur Kungiz Zubeiru, lorsque le ministre disait qu'il a passé euh, beaucoup d'années à la fonction publique sans pour autant euh, exercer dans les officines privées, ça veut dire, il veut dire concrètement quoi ça veut dire, Il dit qu'il ne fait pas du privé. Et hier, vous avez suivi, je disais qu'il est, président d'une ONG. Et une ONG, à ma connaissance, ce n'est pas une structure publique, c'est une structure privée. Donc les activités privées dont il parlait, eh bien, c'est quelque chose qui est prévu par le statut de la fonction publique. Ce statut dit que les agents de l'État, en dehors des heures de service, ont le droit d'aller faire des activités leur permettant d'arrondir leur fin du mois. Il se trouvait qu'en 98, pour le cas des agents de santé, une loi a été votée pour leur interdire cette activité. Pour des raisons qui sont multiples, peut-être qu'on aura le temps d'intervenir là-dessus. Parce que c'était toujours des problèmes de personnes qui entraînent certaines situations. Eh bien, ce texte-là devait être révisé, comme je le disais, en 2015, juin 2015, au, cours d'un atelier à Dosso. Et au cours de cet atelier, le consultant juridique que le ministère a fait venir, il a pris la parole avec la Constitution. Il a dit écoutez, on n'a même pas besoin de euh, rectifier ce texte-là. La Constitution de 2010 rendait cette loi la caduque. Et c'était sur cette base que le débat était clos. Donc, on n'a plus à revenir dire que les agents de la santé n'ont pas le droit de faire des activités privées. Ils ont le droit, au même titre que tous les autres agents de la santé ou de la fonction publique, de faire cette activité tout en respectant leur calendrier au niveau des institutions publiques. Docteur Kongizé Zouberou, ça fait longtemps que vous êtes en grève, plus de 10 ans. Euh, à maintes reprises, vous avez eu des négociations avec euh, la partie gouvernementale. Euh, qu'est-ce qui bloque concrètement à l'issue de ces négociations Ce qui bloque, très certainement, c'est le gouvernement qui pourra te répondre par rapport à cette question. Mais tout ce que je sais, on est parti avec francs la proposition de 300 000 francs sur la table ce que nous, nous voulons dans le cadre de la prime de spécialisation. Le gouvernement a refusé. Le Premier ministre a mis en place un comité. Ce comité a travaillé. La proposition de 50 000 par année de formation était retenue au niveau de ce comité. À la dernière minute, bon, c'est même un représentant du Premier ministre qui a fait cette proposition. Nous, nous l'avons acceptée. À la dernière minute, on vient nous dire Ah, ce n'est pas possible d'appliquer cette proposition. Donc là, c'est nous qui avons refusé ou c'est le gouvernement Je te pose la question. Après, on nous propose une catégorie à hors échelle après des mois de travaux par rapport à cette catégorie, la maquette qui a été transmise au conseil de cabinet, on vient nous dire que cette maquette aussi n'est pas applicable. Alors que cette maquette, même si on l'appliquait, l'incidence c'est quoi C'est 80 000 francs par spécialiste et par mois. Le gouvernement a refusé. Après, on nous amène une dernière maquette qui prévoit une augmentation de 50 000 francs environ pour les spécialistes en début de carrière mais ceux qui seront en milieu ou voire en fin de carrière ne bénéficieront de rien. Et c'est ça que nous avons demandé d'arranger pour que ces 50 000 francs soient uniformes, que chacun bénéficie de ça, et c'est ça qu'ils ont refusé. Docteur, on va euh, revenir vers vous le temps de donner la parole euh, au secrétaire général du syndicat unique euh, de la santé et de l'action sociale Suisas, Suizas, Boubacar Bobawa. Vous venez là d'écouter le le secrétaire général du syndicat des médecins spécialistes du Niger en ce qui concerne le bras de fer qui secoue le e et le gouvernement. Quel commentaire cela suscite en vous <coughs> Merci. Vous nous avez Invité à ces forums, le sujet a une tradition et la ligne de conduite. Ce qui dérange les deux parties, c'est les deux parties qui se dérangent. Le sujet ne rentre pas dans ce débat. Si nous savons très bien que c'est pour ce débat-là, on ne serait pas là. C'est un syndicat qui a ses préoccupations. Je rappelle que c'est un des points. J'arrive. C'est un syndicat qui a ses préoccupations, c'est les leurs. C'est leur préoccupation c'est leur démarche, nous avons la nôtre. Posez une autre question, dans le cadre de la santé, nous allons te répondre. Ce qui les engage, c'est entre eux. Ça, nous n'allons pas entrer dans ce débat parce que nous ne sommes pas là pour arbitrer, nous ne sommes pas là pour condamner le ministère, ou nous ne sommes pas là pour condamner Kondisi et son syndicat. Nous sommes là pour répondre à un débat, un débat qui va dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent à chaque fois quand ne sujet pas un débat, nous faisons un débat qui intéresse la population. Nous faisons un débat participatif et qui, dans les conclusions, vont être utiles d'abord aux décideurs et à la population. Les débats, la question qui se pose par rapport à notre réaction, vous n'aurez pas de réponse par rapport à ça. Oui, M. Bouba est-ce que vous avez une solution à proposer euh, pour euh, ramener la sérénité au sein de la famille euh, du secteur de la santé Dans tous les cas, vous savez, que ce soit le SUSAS, que ce soit le SANFAMED, je le cite, que ce soit le SEMES, nous n'avons aucun problème de partenariat, d'abord entre nous. C'est les syndicats qui nous considèrent qu'on considère. Par conséquent, nous, n'avons aucun problème. La seule information que je peux donner ou que je puisse donner sur ce plateau, le médiateur nous a saisi. Et elle a saisi qui Les mêmes trois syndicats. Pour des raisons, et c'est très bien que nous allons retrouver sur des tables, ce n'est pas pour nous insulter. Le CISAS est présenté par moi-même. Le semestre est représenté par Dangalou et l'EC. Le sans est présenté par Maman Sadil Ressi. Donc nous avons commencé à faire un travail qui en réalité va donner réellement qu'il y a de la fièvre dans le secteur de la santé et qu'il faille la traiter. Donc la solution qu'on a trouver peut-être, c'est que le ministère de la Santé publique, l'actuel qui est aussi de la santé, autorise ou donne son accord à l'initiative ou bien à la, à, aux bons offices du médiateur parce que c'est auto-saisi par rapport à la situation. Que nous nous trouvions pour faire un travail qui va être un travail conscientiel. Donc nous, par conséquent, par rapport à ce qu'il y a dans le problème entre eux, nous ne pouvons que s'il y a notre bon office à demander, nous allons les demander, mais en matière de lutte ou en matière d'exigence, il va falloir que toutes les deux parties trouvent leur propre sérénité, mettre de l'eau, pas dans le vin, mais de l'eau dans le, verre, et qu'ils puissent s'entendre sur des choses où ils peuvent s'entendre. Mais rentrer dans leur débat, vraiment, ça, si c'est un autre débat, vous me prenez aussi l'exercice privé, lui seul, je peux faire le débat devant n'importe qui. L'exercice privé, là, je peux le faire parce qu'il y a une loi qui est là. Mais les préoccupations du semestre, elles les ont justifiées auprès du, du, des, autres autorités avant que le celui ne soit là. Les préoccupations ou bien les soucis du ministre, et les ont préoccupés, c'est entre eux, c'est leur démarche, c'est leur, en tout cas, euh, leur métrologie de lutte qui est comme ça, la nôtre, du et les autres. Bobo Karbobawa du CISAS, on va revenir vers mhm. vous. Le temps de donner la parole à la société civile. Euh, Mahamadou Samaïla, vous qui êtes le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, donc euh, la société civile, vous avez entendu euh, les deux protagonistes, les, bon, les deux représentants, leaders syndicaux. Euh, qu'est-ce que, -ce que cela inspire, vous inspire en, termes de commentaires. D'accord, merci <clears throat> de nous donner l'opportunité de nous exprimer. je pense que ce qu'il faut préciser d'abord, le regroupement des ONG du secteur de la santé, c'est un regroupement qui défend l'intérêt de la population. Et je pense que euh, à travers cette ligne de conduite, nous défendons au-delà de l'intérêt de la population, toutes les composantes de la population. Parce que c'est quoi euh, notre travail, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos populations en matière de santé. Et je pense que euh, dans cette optique, ça aussi intervient sur l'amélioration des prestataires qui interviennent au niveau du secteur de la santé. Mais par rapport au, débat qui oppose euh, le SMES e au gouvernement, nous nous pensons que la société civile ne peut être que un médiateur et euh, ce que nous allons peut-être recommander, c'est comme Bobo l'a dit, euh, que les uns, les deux parties mettent de l'eau dans le verre et euh, qu'on puisse vraiment trouver une solution qui arrange tout le monde sans pour autant aussi blesser le pays. Parce que, comme on le dirait, il faudrait qu'on puisse poser des actes qui soient pérennes et que ce ne soient pas des actes qui vont encore être remis en cause par le gouvernement qui va venir. Parce que euh, ce que nous remarquons, vous commencez à discuter avec le gouvernement en place, mais dès que les acteurs changent, c'est aussi le débat qui change. vous l'avez écouté, ça fait plusieurs fois, que plusieurs rounds de négociations qu'ils ont eu avec la partie gouvernementale. Euh, jusque-là, ça n'a pas abouti. Euh, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous recommandez Bon, c'est ce que j'ai, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que les deux parties doivent se regarder, et vraiment avoir une discussion franche. Et pour ne pas s'engager, comme le gouvernement a eu à le faire, je, je pense que nous, nous n'avons pas de position, nous sommes neutres. Et normalement, le regroupement des ONG du secteur de la santé, depuis 2000, nous avons une convention avec le ministère qui fait en sorte que chaque trois mois, on avait des rencontres avec le ministère pour voir par rapport aux problèmes du secteur de la santé, comment trouver des solutions. Et depuis un certain temps, euh, le regroupement, je dirais, a perdu euh, cet acquis. Donc tous les problèmes ou les remous sociaux, nous avons aidé à, résoudre certains problèmes et remous sociaux du secteur de la santé. Mais aujourd'hui, par rapport à cet aspect spécifique, nous n'avons jamais été saisis pour soit conduire une médiation ou euh, participer à la discussion qui se fait. est-ce, que, cette euh, proposition est dans le pipeline au niveau de, de votre organisation, le ROSEN Bon, le roi Sen euh, regarde euh, tout ce qui se passe au niveau du secteur de la santé, mais euh, là où on ne nous associe pas, aucune des deux parties, je pense que nous ne pouvons pas nous ingérer. Je l'ai dit, nous avons des intérêts qui divergent. Nous, notre défense, c'est la population. C'est ça votre intérêt Oui, que la population soit servie. Mais d'un autre côté, je dirais que la grève qui est conduite elle va à l'encontre de cet intérêt. Donc, euh, si euh, il y a des possibilités, en tout cas pour nous, de voir comment rentrer dans cette discussion, nous allons le faire. Mais pour le moment, euh, nous sommes des observateurs. Euh, merci. Euh, on va revenir vers vous, Mohamed Somaïla. Le temps de donner la parole à, Maman Sani qui vient de nous prendre en cours euh, au studio. Maman Sani, ça fait plus de deux ans qu'il existe un bras de fer entre le SMES e et le gouvernement. selon vous, quelle solution vous, vous, pour, pour mettre fin à, cette, à deux années de crise majeure dans le secteur de la santé? Eh, merci bien. En tout cas, euh, nous allons d'abord commencer par nous excuser en tout cas de ce retard. Clairement, on était trop pris. Euh, juste d'une réunion, j'ai coupé pour euh, participer à ces débats. J'étais bloqué par la circulation. Vous êtes excusé, euh, docteur. Voilà, et par rapport à cette question, par rapport effectivement à la revendication du syndicat de médecins spécialistes, je pense que s'il faut directement répondre à votre question, moi, je pense qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui peut mieux régler les choses que le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut privilégier le dialogue. Euh, c'est que nous avons la tournure dans cette question à prise. Je pense que ce n'est pas de nature à pouvoir arranger les choses, que ce soit du côté de la famille médicale et au-delà pour l'intérêt de la population nigérienne. Je pense que s'il faut revenir sur la subsistance, n'est-ce pas, de cette revendication. Je pense que euh, pour ce qui est de la légitimité de la revendication, là, je pense qu'il n'y a même pas débat à faire. C'est une revendication dont nous estimons légitime et sans ambiguïté, n'est-ce pas Ils doivent effectivement essayer, euh, les autorités bien sûr, de voir comment est-ce qu'ils pouvaient effectivement essayer de pouvoir euh, ne pas créer de remous dans ce secteur en obtempérant. Mais sur, il faut revenir peut-être au nom de ma structure, s'il faut que je me prononce à cela. Je pense que euh, cette revendication, s'il faut partir sur, n'est-ce pas, le, début de cette revendication, en tout cas, nous connaissons beaucoup cette revendication. Euh, je n'ai pas suivi le début du débat, mais je pense que euh, le SMES, e en tout cas, lorsqu'il avait posé cette revendication, au début, cette revendication, c'est nous qui l'avons posée au nom du Saint-Famer, parce que c'était une revendication du Saint-Famer. Et effectivement, je ne reviendrai pas sur toute l'historique, ce qui s'est passé jusqu'à la création d'ISMES, e mais je me limiterai en cela pour dire qu'en tout cas par rapport à la légitimité de cela, c'est une très bonne chose, mais c'est que la tournure, comme je l'avais dit, qu'a pris cette chose n'est pas de nature à arranger les choses. Docteur Momassani, avant-hier à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé disait qu'il a passé un bon moment en train de servir la fonction publique sans pour autant euh, servir dans les officines euh, privées. À ce niveau, que disent euh, concrètement les textes Bon, je pense que par rapport à ça, sincèrement, il y a une loi qui réglemente euh, l'exercice privé de la médecine. Je pense que c'est des textes qui sont, jusqu'à preuve de contraire, euh, en, modification. Je pense que c'est pas adopté, sauf si je me trompe. Mais je pense que la loi, elle est claire par rapport, mais il y a un certain nombre d'années, quand la personne le fait, elle peut effectivement exercer en dehors des heures de service. Mais sinon, la loi, elle est claire. Elle dit si tu exerces en privé, tu ne, en public, pardon, tu ne pouvais pas aller exercer en privé je pense que la loi est claire par rapport à ça. Donc maintenant, par rapport à d'autres commentaires, je pense que je vous ferai économie de beaucoup de commentaires par rapport effectivement à l'intervention du ministre. Je pense que surtout par rapport à l'exercice privé de la médecine, c'est un aspect sur lequel, que ce soit nous en tant que médecins, je ne prends pas euh, ma position en tant que maman Sani ou même euh, surtout en tant que secrétaire général du saint famère quand je prends, c'est des choses où maintenant, il n'y a pas un aspect sur lequel le médecin, il est taxé à tort ou à raison, il est critiqué à tort ou à résoudre deux fois, nous sommes insultés sur cet aspect. Et je pense que c'est très important que nous prenions conscience de cela, de respecter scrupuleusement ce que les textes de la République ont prévu ainsi qu'il y est de l'exercice profession de la, euh, de l'exercice privé de la profession médicale. Là, je pense que ça nous fera plus honneur et effectivement, ça évitera, n'est-ce pas, certaines critiques, n'est-ce pas, de la part de la population. Parce que si vous circulez dans la rue de Niamey, les gens, à tort, j'ai dit, ou à raison, c'est ce qu'ils disent, les gens partent dans les publics, ils ne se font pas on ne les prenne pas en charge, on les oriente dans le privé. Pour d'autres, ils extrapolent, ils, disent du n'importe quoi. Mais c'est vrai, il y a aussi certains parmi nous, effectivement, qui ne respectent pas cet état de fait. Par rapport à ça, en tout cas, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'effectivement le texte soit respecté pour ce qui est de l'exercice privé de la médecine. Mais on doit effectivement essayer de le faire dans la règle de l'art et du respect, n'est-ce pas, de la dignité de la personne humaine. Restez avec nous sur le studio Kalangou, notre débat continue. L'autre aspect de ce forum traite euh, du faible euh, taux de couverture sanitaire au Niger. À ce sujet, l'Organisation mondiale pour la santé recommande un médecin pour 100 000 habitants. Euh, docteur Kongize, pour 200 000 habitants. Pas bien, tu n'as pas bien lu ton passage, monsieur. Ok, bon, docteur, bon, vous, allez vous, aurez le temps de rectifier. Non, non, non c'est-à-dire, avant d'arriver avant ça, nous en S'il te plaît, avant d'arriver à ça, tout à l'heure, donc par rapport à cette question d'exercice privé, et eh bon moi je pense plutôt ce qu'on doit faire, les autorités, d'une manière générale, doivent fournir l'effort pour bien éclairer la population par rapport à cette question d'exercice privé. Comme je le disais, la loi dont Maman Sani faisait allusion, c'est la loi 98. C'est une loi qui a été votée en 98. Oui, c'est ça. Et cette loi a été votée en 98 avec le colonel Hulot à l'époque qui était ministre de la Santé. Et nous savons dans quelles conditions, quelles sont les idées qui ont prévalu pour que cette loi soit votée. Et comme je l'ai dit, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, les gens font plus usage de ces questions de problèmes de personnes pour gérer des questions institutionnelles. Et cette loi, elle a été votée, elle a été adoptée, mais l'application, qu'est-ce qui s'est passé? l'application n'était pas possible parce que à l'époque même, les médecins spécialistes euh, ou et généralistes, tous confondus à l'époque, ils se sont même entendus pour dire que bon voilà, comme cette loi, c'était pour nous faire un peu de la police même, ils avaient décidé de dire que bon tous, ils optaient pour aller pour le privé, que le gouvernement parte chercher ses agents pour partir soigner. Et cela, ça a créé des remis-ménages. La loi était là, mais dans l'application, l'application ne se faisait pas. J'arrive, j'arrive, je je, je vais continuer. Et cette loi, elle était là. Il y a pas mal d'exemples si les gens veulent revenir par rapport à ça, pour essayer de rendre le système, euh, comment dirais-je, euh, beaucoup plus, comment dirais euh, fonctionnel. Mais cette loi, elle a été prise sur la précipitation et, comme je l'ai dit, sur un coup de cœur. L'application n'était pas possible. C'était pas possible. Alors, je disais, en juin 2015, en juin 2015, quand le ministère de la Santé demandait de revoir un peu les textes régissant le fonctionnement des choses dans le privé, cette loi était sur la table et monsieur, il même était présent le jour-là. C'est lui qui représentait l'ordre des, choses, comment dirais-je. Le symphomet était là, le SMES était là, le SUSES était, là. J'arrive, j'arrive, laisse-moi s'il te plaît continuer. Et il y avait un consultant juridique que le ministère de la Santé, j'arrive, que le ministère de la Santé avait engagé pour essayer de parler de cette loi 98. Et séance tenante, il a pris la Constitution, les dispositions de la Constitution rendaient cette loi-là caduque. Il l'a dit, tout le monde était là. Normalement, depuis la sortie de cette chose, le ministère devait vulgariser cette information. Les gens doivent savoir comment ça se passe. Et maintenant, l'autre aspect, par rapport aux gens qui exagèrent dans l'exercice privé, des gens qui partent dans le privé aux heures de service, des gens qui aiguillent les malades dans les yeux. Ça, il y a les inspecteurs de service, il y a des structures qui sont censées régler ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus sur cet aspect qu'il fallait s'appuyer que de chercher à abattre la chose dans un flou, dans un flou extrême. Revenons par rapport à la faiblesse euh, du taux de couverture sanitaire. Tu parlais, tu parlais de la faiblesse du taux de, couverture sanitaire. Je ça, si tu te fies à ce que le ministre a dit avant-hier, la chose, tout est bon. On est même en dessous des choses. On est même, on a même une performance meilleure par rapport à ce que l'OMS a chose. Où, en sommes-nous au Niger Où en sommes-nous en ce qui concerne euh, les chiffres de l'OMS non, les chiffres de l'OMS, c'est ce que je disais, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Et tu as entendu euh, avant-hier au niveau de l'Assemblée les chiffres que le ministre a donnés le Niger a euh, une performance extraordinaire. C'est l'institution la plus habilitée pour donner ces chiffres-là. Donc je pense que c'est là où le représentant du ministère de la Santé devait être là pour essayer de vous donner les éléments d'information par rapport à ces statistiques. Euh, Boubacar où en sommes-nous en ce que par rapport aux, chiffres euh, voulus et donnés par l'OMS en ce qui concerne euh, le taux de couverture sanitaire au Niger Ok, merci. C'est le même cycle. Hein. De la même manière que les autres aussi ont dit un mot sur les privés, je vais le dire. La loi, elle est là, elle est très claire. La loi est très claire. L'article 13 a dit, en cas de conflit d'intérêts apparent, que ceux qui exercent, qu'ils soient de la santé ou autre, ils doivent mettre fin aux activités susceptibles de créer ce conflit-là. Il faut c'est la vérité. La loi, elle est très claire. Je ne suis pas en train de faire un débat pour le condamner ou pour donner raison au ministre. Non. Mais moi, j'ai dit, la loi de la, fonction publique, le décret d'application a très vite, tout agent doit être permanent au service d'État. Lisez bien la loi, vous allez comprendre. D'autre part, quand on pense que en 98, c'est une mauvaise loi, tout le monde a signé un engagement décennal l'engagement des Sénat, il est là. Quiconque vous allez commencer à travailler, vous devrez attendre les 10 ans avant de dire au revoir. C'est très clair. Nous, nous avons toujours dit à tous les, à tous les ministres, on ne respecte pas la loi. si on respectait bien la loi, je vous avoue ce qui sont en train de dire. Vous allez voir, ils ne vont pas supporter celui qui quitte. Elle l'a dit, hein, celui qui quitte les services pour aller en privé. Mais nous avons vu des cas. Nous avons eu des preuves. Nous ne voulons pas rentrer dans le débat. Mais lui-même, il, a, dit qu'il y a des brebis galaises, il y a certains qui le font. Très bien. Il, a reconnu. la solution à ce problème, il faut qu'il ait un forum. Moi, je dis la solution à tous ces problèmes, il faut qu'il ait un forum de la santé. spécifiquement santé, comme à l'époque où on fait les journées de la santé, depuis 2002, il n'y a pas eu de journées de la santé. Maintenant, Boubacar Boba, On va revenir, mais pour vous dire que moi, ma vision, je l'ai toujours dit à tous les débats, les mêmes normes de l'OMS qu'on brandit en Amérique, c'est les mêmes normes qu'on brandit au Niger. S'il vous plaît, est-ce qu'au Niger, les mêmes normes qu'on dit un médecin pour 10 000 habitants, est-ce qu'on va les brandir en France Est-ce qu'obligatoirement, c'est les mêmes, sont dans les mêmes conditions J'ai toujours dit, moi, c'est des normes, je suis obligé de les respecter parce qu'elles sont internationales mais elle ne peut pas obligatoirement être applicable dans d'autres pays. Vous prenez aujourd'hui la, le, district sanitaire de, Loga. Moi, je venais, j'étais parti jusqu'à Loga, j'ai une pime là-bas. Il y a un seul laboratoire. S'il vous plaît, la population de Loga, à un moment donné, si elle a fait Loga, elle connaît Loga. Vous allez marcher à combien de kilomètres pour trouver un agent de santé Si on, on fait l'ensemble de la population de Loga, si elle n'atteint pas 100 000 habitants, on dit non, il faut combien de médecins ou bien il faut combien d'infirmiers Alors très bien qu'on sait que cette population, j'ai pris Loga parce que j'ai été, j'ai vu dans quelles conditions la population de Loga a accès aux services de santé. Je ne peux pas comprendre que chaque fois qu'on nous dit que nous sommes à un chiffre inférieur aux normes ou bien on a dépassé les normes. Non, s'il vous plaît, nous sommes dans un contexte qui est purement un contexte de terrain qui est réaliste. Euh, Je ne peux pas comprendre. En Amérique, on vous dit les mêmes, les mêmes normes. Et habilement, on vous dit les mêmes normes. Est-ce que climatiquement, on a les mêmes conditions Géographiquement, est-ce qu'on a encore les mêmes choses Donc, c'est pour vous dire que les chiffres qui ont été donnés, nous avons été sur le terrain, nous avons vu, malgré que ces chiffres-là ont été donnés, il y a insuffisance de personnel. Il faut le dire. Il faut le dire, il y a une nécessité de mettre vous venez là de faire euh, le parallèle entre Loga et Niamey. Euh, pourquoi certaines régions du Niger sont plus nantis que d'autres en termes euh, d'infrastructures d'accueil et même de personnel soignant dont vous parlez eh, Vous savez tout ça là. Il y a des structures qui sont installées de manière politique. Il faut les dire. Moi, j'étais un homme du terrain. Si on te dit que j'ai travaillé dans une case de santé, tu ne vas pas croire. En 88, nous étions les premiers agents de santé à avoir travaillé ou à pouvoir travailler dans des cadres de santé, des vrais cadres de santé. C'est pour vous dire que, actuellement, quand vous regardez les cadres de santé, comment on les implante C'est de manière politique. Aujourd'hui, je me réveille, vous partez dans une région, je ne dis pas le nom de la région, c'est les propres enfants de la région qui viennent pour euh, adoucir la, douleur de, leurs parents et les créer un CSI. À 3 km, 4 km, on fait un CSI. À 1 km, on fait un CSI. Alors, est-ce que là, on va dire qu'il y a plus de fractures dans telle région, il y a moins dans telle région. Est-ce que là, on va les rapprocher Et actuellement, la population investit beaucoup plus dans les constructions que, l'État. L'État devrait, dans l'affaire de routes SR, l'affaire de routes santé et la reproduction, normalement d'ici 2015, qui est passé, on devrait transformer toutes les cadres de santé. Malheureusement, on, va, revenir vers vous, Boba Boubacara, le temps de donner la parole à, Docteur Dr Mamansani. Mamansani, où en sommes-nous au Niger par rapport aux chiffres de l'OMS en, en, ce qui concerne la couverture sanitaire Voilà, merci bien. En fait, euh, je pense qu'avant de, de réagir par rapport à cette question, il est important d'apporter des éclairs. Parce que couverture sanitaire, c'est différent effectivement des ratios personnels OMS. Quand vous parlez de couverture sanitaire, en réalité, on voulait dire la population qui est dans un rayon de 0,5 km, qui sont dans, en fait, un centre de santé qui couvre une population de 0,5 km. C'est ce que ça veut dire en réalité. On prend un rayon, combien de pourcents de la population se trouve dans, dans le rayon 0,5 un centre de santé. C'est ça la couverture sanitaire. Maintenant, les ratios, c'est ça en réalité tel agent de santé pour telle population. Maintenant, pour le premier élément qui est la couverture sanitaire. Depuis le Niger, actuellement, on n'a pas une couverture sanitaire qui dépasse 50%. En tout cas, on est à 48, et quelques pourcents. 46, 46 c'est moins de 50%. C'est ça le taux de couverture sanitaire. Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire moins d'un Nigérien sur deux est à moins de 5 km en centre de santé. Cela veut dire que certains de nos parents, il faut qu'ils parcourent plus de 5 kilomètres pour se rendre dans un centre de santé. C'est ça la couverture sanitaire. Et je pense que c'est cet aspect dans lequel eh, beaucoup d'efforts n'ont pas été faits. L'année passée, il y avait eu euh, une évaluation de la politique nationale de santé. Depuis la dernière politique, ou du moins l'avant-dernière politique, a été élaborée en 2002. L'évaluation a été faite pratiquement de 2002 à 2015. Le taux de couverture sanitaire n'a augmenté que de 0,88%. Cela veut dire qu'il n'y avait pas eu une construction des centres de santé. Parce que c'est ce que Boba a expliqué en réalité. C'est une construction parce qu'il faut euh, faciliter l'accessibilité. C'est ça en réalité le problème. Nos grands-parents, nos parents qui sont dans le village, et leur sérieux problème, c'est même l'accès au centre de santé. Et cette couverture sanitaire, elle fait allusion à l'accessibilité au centre de santé. Imagine quelqu'un qui va se réveiller. Il a une dizaine, voire une vingtaine de kilomètres à parcourir pour se rendre dans ce centre de santé. Et d'ailleurs, comment Peut-être sur les charrettes, peut-être à Dodan pour partir dans un centre. C'est ça, en réalité, il faut accroître, faciliter cette accessibilité au centre de santé, donc en rehaussant ce taux de couverture sanitaire. Donc ça, c'est un des handicaps majeurs qui handicapent notre système de santé. Les chiffres sont là, moins de 50%, c'est-à-dire moins d'un Nigérien sur deux est à moins, euh, euh, de 5 km d'un centre de santé. Maintenant, par rapport au ratio OMS, là, je pense qu'il n'y a même pas débat. Vous n'avez même pas besoin de porter une loupe pour comprendre que ces pays, jusqu'à présent, les ressources humaines ne sont pas suffisantes pour pouvoir satisfaire l'offre de soins services de santé au Niger. ça, je pense qu'on ne va pas rentrer dans tous ces détails, que ce soit pour le médecin, que ce soit pour les paramédicaux. Pour le médecin, on dit dans les pays en développement, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Pour les autres, les pays occidentaux, l'OMS dit un médecin pour 5 000 habitants. Mais pour nous, on dit un médecin pour 10 000 habitants, mais j'avoue que vous allez partir dans certains départements, comme Bobo on l'a dit, vous prenez Loga, vous prenez d'autres départements où il y a plus de 200 000, 300 000, vous allez trouver un seul médecin. Et c'est ce même médecin. Et ça, c'est quoi C'est dit à cette disparité, cette mauvaise répartition qui est oui, euh, oui, oh, docteur, docteur Momansani, qu'est-ce qui explique euh, que certaines régions sont plus nanties que d'autres Bon, mais est-ce que moi je suis placé pour ça Moi, je ne suis pas celui-là qui affecte les agents. Je constate comme vous, c'est ça, je suis agent de santé, je constate. Mais ça, en tout cas, au moins, c'est là. Et ça, c'est un épineux problème au ministère de la Santé. Ça fait partie des véritables épines dorsales, des sérieux problèmes du ministère de la Santé, cette problématique de gestion des ressources humaines. Je pense que les autorités vont essayer de voir comment est-ce que au moins les, Nigériens aient la même chance de survivre, de vivre. Parce que c'est ça, en réalité. Si vous avez des pléthores, je prends par exemple Niamey, là où partout c'est des médecins, vous partez, vous prenez partout c'est des médecins, c'est des santé, vous ne pouvez pas faire 2 kilomètres sans que tu n'aies un centre de santé, tu n'as pas la même chance de vivre que quelqu'un qui se trouve dans la bourse de Birma ou de... C'est en réalité ça. Donc je pense que les autorités doivent, comme le dit la Constitution, tous les Nigérians doivent être traités au même pied d'égalité. Je pense que c'est une des dispositions de l'article. Ça, je pense qu'ils doivent effectivement les respecter pour traiter, pour essayer au moins de répartir, mais pas amener des ressources humaines. Quand on amène des ressources humaines, il faut aussi faire suivre les infrastructures et les plateaux techniques adéquats parce que c'est très important. Les gens se voient l'aspect ressources Politiquement, excuse-moi, surtout politiquement, quand ils analysent par rapport à la médicalisation des CSI et tout ce qui s'ensuit, on envoie quelqu'un sans plateau technique pratiquement, il ne va pas faire de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. La médecine requiert un minimum de conditions pour travailler. Je pense qu'ils vont essayer de fournir d'efforts pour pouvoir effectivement affecter les agents, mais aussi faire suivre les mesures d'accompagnement pour que la population puisse bénéficier, n'est-ce pas, des prestations que va Docteur Momassani, on va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à l'acteur de la société civile. Euh, Samaïla Mohamadou, euh, euh, vous venez là d'entendre docteur Kongize du, du SMES, e docteur Momansani du Saint-Famed, Bouba Aboubakar du SISAS. par rapport aux chiffres de l'OMS en ce qui concerne le ratio et la couverture sanitaire, votre commentaire rapidement Bon, je pense que le commentaire il ne peut pas être différent de ce qu'ils ont dit parce que la couverture sanitaire, comme il a eu l'expliqué, c'est géographique. Et par rapport au ratio, vous-même vous posez la question de savoir pourquoi il y a une disparité. Ça veut dire que déjà, quand vous prenez le cas de Niamey, c'est vraiment euh, une rupture d'égalité du citoyen devant la loi. À l'intérieur du pays, euh, vraiment ces chiffres ne sont pas respectés. C'est quoi la cause de tout cet état de fait C'est quoi Ça, vraiment, euh, je pense que cette question, elle est à poser au ministère de la Santé. elle est à poser au ministère de la Santé. Et je pense que aussi par rapport à, cet aspect, nous, constatons euh, que quelquefois même le niveau central n'est pas au courant de ce qui se passe dans les régions. Je prends un simple cas, euh, une année où on nous a annoncé euh, la présence de certains laborantins de certains districts, où on a fait une planification sur la base de ces laborataires, mais arrivé dans ces districts, on nous fait comprendre que ces laborantins ont quitté. Ils ont quitté, le niveau central n'est même pas au courant. Euh, selon vous, pourquoi Est-ce que c'est le manque de euh, primes, de, certaines primes, telles que les primes des zones désertiques ou bien euh, c'est l'éloignement de, ces, endroits Bon, moi je pense, je ne vais pas penser directement aux primes. Je pense que quand on s'engage dans un travail, quand on signe pour faire un travail, on doit respecter l'engagement qu'on a pris. Donc ça veut dire que quelque part, c'est parce que les gens trouvent des facilités en quittant et que le système ne met pas en application les textes qui prévoient les sanctions qui sont prévues. C'est pour cela. Vous voulez dire qu'il y a une certaine ingérence du politique dans les affaires ça, je pense que c'est des propos même du ministre que je vais, je pense que je vais rappeler. Le ministre a eu à le dire que si les gens n'étaient pas protégés, il y a longtemps qu'on aurait réglé certains problèmes. Et on pense qu'aujourd'hui, la politique, elle est partout elle est partout. C'est ce qui fait en sorte que euh, on n'arrive plus à faire travailler les gens comme il faut. Donc euh, la hiérarchie, elle n'existe plus quand il y a la politique. Merci, messieurs, On se retrouve euh, dans un instant. Le mauvais accueil des patients par certains agents de santé constitue également l'une des préoccupations soulevées à plusieurs occasions par certains acteurs. Docteur Kongize ou euh, du syndicat euh, des médecins spécialistes, que faire pour amener euh, certains agents indélicats à respecter le serment d'Hippocrate Franchement, bon, vous avez même introduit la question tout à l'heure quand vous parlez de cette question de mauvaise répartition. Tout ça, donc, c'est l'impunité, c'est le non-respect des textes, donc, c'est l'ingérence du politique. Si toi, tu es là, le major du service, tu ne peux pas sanctionner positivement ou négativement l'infirmier qui est sous ta coupe, parce que tu lui donnes même une demande d'explication. On t'appelle d'en haut, on déchire ça devant toi, ou le médecin, tu donnes une demande d'explication à l'infirmier, on déchire ça, donc tu comprends que cette personne fera ce qu'elle veut dans le service. Donc, à résumer, ce problème, on ne peut pas le dissocier du problème que vit le Niger aujourd'hui de façon générale. C'est dans tous les secteurs que l'impunité s'est installée. Et c'est la politisation de tous les secteurs de la vie au Niger. Et c'est dommage, c'est malheureux. Cette impunité fait que quand vous prenez euh, cette mauvaise répartition des agents, parce que ça résume ta question. Cette mauvaise répartition, c'est parce que bon, je décide d'être ici parce que ici j'ai plus d'activités, ça me permet d'engranger plus de revenus, etc., etc., etc., de faire mes affaires, etc., etc. C'est mon intérêt que je vise. Alors qu'il y a des années où cela n'était pas possible. C'est l'intérêt de la nation. Si aujourd'hui, toi en tant que journaliste, tu te contentes de ton salaire, tu vis avec ton salaire et tu fais ton travail correctement. Et moi, en tant que médecin, je me contente de mon salaire, je vis avec ça correctement. Eh bien, si à côté, un autre agent qui est là, il ne se contente pas de son salaire, il travaille peut-être même moins que nous, mais il a des facilités souvent illégales. Eh bien, tu vas peut-être te taire un jour, deux jours, après tu verras que toi aussi, il faudra que tu profites de ta carrière voulant profiter de ta carrière, toi aussi, tu vas aller dans l'illégalité. Maintenant, docteur, revenons au problème. Euh, donc, cette question d'accueil, cette question d'accueil, franchement, moi, je pense que ça, ça nous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes agents de santé, mais en tant qu'être humain nous sommes tous des malades potentiels. Donc, quand ça s'arrange, eh bien, c'est pour nous tous. Et cette question d'accueil, naturellement, il y a d'abord la vocation. Quand tu choisis de faire quelque chose par vocation, c'est pas la même chose que si ce sont tes parents qui décide pour toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où ce sont les parents qui disent non, c'est dans le secteur de la santé que tu as plus la chance d'avoir d'activité, donc on te paye la chose. Même si tu, par ailleurs, tu ne supportes pas ou tu n'aimes pas, eh bien, tu vas le faire. Donc, n'ayant pas la vocation, donc ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un premier aspect. Et le second aspect, c'est ce que je dis, c'est cette sanction. La sanction positive ou négative. Voilà. La sanction positive ou négative. Lorsque tu fais très bien ton travail, on te récompense. Lorsque tu, tu, tu fais des défaillances, on te sanctionne. Et ça donnera l'exemple exemple à ceux qui sont à côté de toi. Moi, je pense si on revient à ces deux règles-là, on fera déjà un grand pas. Donc, ça veut dire que le problème, il faut que l'intérêt politique, il faut que l'homme politique facilite la chose. Bobo Boubacar du SUSAS, que faire pour amener euh, certains agents de la santé indélicats à respecter euh, le serment d'Hippocrate en ce qui concerne euh, le mauvais accueil dans les formations sanitaires bon, Vous savez, rapidement, serment ou non serment, je pense que euh, tout celui qui a une rémunération, il est lié. Qu'il aujourd'hui, on enlève serment d'Hippocrate, serment de Nathaniel, serment de X, serment de Y. Dès que vous prenez un salaire, Dieu a dit un beau jour, vous allez le justifier. C'est tout. Nous avons fait un forum Le sujet Il est là pour témoigner. Nous avons dit, voilà les constats. Et en 2015, le sujet a fait encore une autre conférence à l'occasion de la célébration de la journée de l'OAS. On a dit voilà. Non, très rapidement, je vais pour te dire que les indélicats. Le SUSAS d'abord n'a jamais protégé un indélicat. Un. Le SUSAS n'a jamais protégé un indélicat. Deux. Et le SUSAS a toujours dit celui qui fait son acte, qu'il répond de son acte. Maintenant, la solution c'est quoi Nous avons dit ça doit commencer depuis le recrutement. Depuis le recrutement, et c'est ensemble avec le sans que nous avons dit il faut régionaliser les postes judiciaires à partir d'aujourd'hui, s'il y aura un recrutement à la fonction publique, on dit DIFA, on a besoin de 40. Tu, admets pour DIFA, tu vas quitter pour DIFA, tu laisses le poste du à DIFA. Ce qui est désolant. Le seul chirurgien qui était resté à DIFA depuis l'avènement de Boko Haram, le seul chirurgien là, jusqu'à ce qu'il trouve une occasion pour quitter aller à la Somaïre, il n'a jamais été récompensé. Ce n'est pas un petit témoignage, non. Aujourd'hui, si on les prend si on dit on voilà, on, le prend comme un lutteur, comme on donne des millions et des parcelles aux lutteurs. Lui, il a lutté plus qu'un lutteur. Et si on vient et lui et son équipe, on dit bon voilà, tous les agents qui travaillent à DIFA, c'est important ce que j'ai dit, qui travaillent à DIFA, voilà, on va les donner, c'est une occasion de les en donner de temps pour avoir géré la situation. Les chirurgiens là et les autres euh, le mauvais accueil dans les formations sanitaires, que faire pour amener les agents indélicats à respecter le serment <laughs> d'Hippocrate C'est-à-dire, il y a un problème, peut-être il faut Rapidement, bien recadrer cette affaire d'accueil. Hein. Parce que dès qu'on parle d'accueil, subitement les gens se voient le porteur de la blouse blanche ou du moins, de manière générale, l'agent de santé. À travers votre question, c'est ce que j'ai compris, vous parlez d'agents indélicats. Mais l'accueil, il faut l'aborder sous plusieurs angles parce que c'est multi, multi factorielle. D'abord, c'est vrai, l'agent de santé, c'est un des éléments qui conditionne un bon accueil de la structure sanitaire. Mais aussi, il faut tenir compte de la communauté. La communauté joue un rôle hyper important, mais aussi les autorités. Je prends l'exemple des autorités qui ne mettent pas, j'ai tout à l'heure parlé de plateau technique. Est-ce que quand tu n'as pas les moyens nécessaires, je prends l'exemple des urgences. Toi, tu viens, agent de santé, avec ta blouse, ton stéto et tout ce que tu veux. Tu viens, tu viens travailler, tu n'as pas le moyen. Est-ce que tu peux mieux accueillir quelqu'un Tu peux l'accueillir de manière... Euh, oui, c'est ça en réalité. Mais est-ce que c'est ça en réalité L'accueil est conditionné par toutes ces choses-là. C'est très important que les gens le comprennent. C'est vrai, l'agent de santé est au centre de tout cela, mais la communauté joue un rôle important. rapidement, rapidement, excusez docteur, euh, l'association civile, Samaïla Mahamadou, euh, le mauvais accueil dans les différentes formations sanitaires au Niger. Oui, bon, je pense que le mauvais accueil a fait l'objet de, plusieurs rencontres. Il y a eu même des chartes par rapport à l'accueil, certaines régions ont développé des chartes où tous se sont engagés à améliorer l'accueil au niveau des formations sanitaires. Mais ce que Dr Monsani dit, c'est une réalité. Quand vous savez, même si vous accueillez de manière adéquate un patient, si vous n'avez pas de quoi le satisfaire, je pense que c'est un problème. Et au-delà de l'accueil, c'est vrai, on dit que euh, l'accueil contribue dans une large majorité déjà à rassurer le patient et à faire en sorte qu'il puisse mieux supporter donc la maladie qu'il a. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être l'État, et au-delà, doit faire en sorte que les plateaux techniques soient respectés. Et il faut aussi qu'on puisse faire les états généraux de la santé pour débattre de tous les problèmes de santé et prendre des engagements. Chaque parti prend des engagements avec un cahier de charges qui va être suivi. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Dr Kongi Zabayrou euh, du syndicat des médecins spécialistes du Niger. Euh, il y a également le secrétaire général du SUSAS, M. Bobo Aboubakara. Il y a le secrétaire général du Saint-Famed, Dr Mamassani, et M. Samaïla Mahamadou du Roi Senna. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.